Nos langues a entamé un large programme de sensibilisation ponctué de visites de proximité. L'activité du samedi 18 janvier 2020 s'est heurtée à la volonté du régime de Macky de priver les citoyens d'aller à la rencontre d'autres citoyens pour discuter de cette hausse injustifiée du prix de l'électricité. Mais le peuple sénégalais a montré une fois de plus hier, mercredi, de toute sa détermination à préserver les acquis démocratiques arrachés de haute lutte à travers la campagne Flyers FEP, partout au Sénégal et même dans la diaspora, nous avons distribué des Flyers. Ce travail se poursuivra. À l'instar de toutes les initiatives en cours, le samedi 25 prochain, nous investirons l'axe marché du, marché du samedi au front de terre, rond-point Liberté 6, jusqu'au marché Grand Ainsi, comme annoncé à notre dernière conférence de presse, nos langues effectuera des visites de courtoisie auprès des chefs religieux. Cette étape de notre plan d'action sera clôturée par une journée de mobilisation nationale et internationale contre la hausse injustifiée des prix de l'électricité et pour la libération du camarade Guy Marissagna. Nos langues appellent les Sénégalais et les Sénégalaises à une grande marche le vendredi 31 janvier 2020 à Dakar, de la porte de l'université Cheikh Ante Diop au rond-point de Post Médine. Cette mobilisation, que nous souhaitons historique, sera également et surtout pour la libération du patriote, du baobab, du résistant Guy Marius Sagna. amul fenn ci Sénégal sénégalais pour distribuer flyers. Mhm. peut-être qu'un jour yàggaguñ ci ci suñu plan d'action parce que par zone la def peut-être que zone présidence bi dina bokk ci yenn zone yi nga xamante ni ci ay bës yu ñëw dina ci bokk pourquoi pas mais qui a suscité tout le débat d'ailleurs ñoom Guy Marius Sagna en sénégalais <laughs> ils ont voulu pacifiquement marcher devant les grilles du palais pour euh, pour pour pour yeggee njitu réew li li peuple bi di joytu sur cette hausse là et c'est pas exclure hein. gis je pense qu'il di toog di dinañ dem ba biir présidence pour joxe fa flyers flyers fépp parce que ay sénégalais ñoo fa nekk biir président bu dul sax peut-être président Macky Sall mais y a beaucoup de sénégalais qui travaillent à la présidence peut-être qu'il faut aller à leur rencontre donc euh, c'est pas exclu on n'a pas de sens interdit mënuñu nekk ci réew di am sens interdit ci suñu biir réew loolu mënul nekk donc euh, c'est pas exclu rien ne peut justifier une interdiction de cette manifestation absolument rien il n'y a pas d'arrêté euh, entre entre et Ousmane Gomme. Et euh, pour euh, interdire une manifestation, il faut déjà deux conditions cumulatives, un risque de trouble à l'ordre public et un manque d'éléments pour encadrer la manifestation. Je ne pense pas qu'à Dakar, nous avons un manque d'effectifs pour couvrir une manifestation. Donc le 31 janvier, Inch'Allah, le collectif non-langue fera tranquillement sa marche pacifique du rond-point chez Ante Diop euh, jusqu'au rond-point de la poste Médine afin de réclamer la libération immédiate et sans condition du camarade Guy et pour l'annulation pure et simple de la hausse des prix de l'électricité.